Nous ne confrères sais pas les raisons pour lesquelles nous les raisons pour lesquelles nous... daw ah nous sommes lacrymogène vous voyez vous voyez on nous gaz, on nous gaz, on nous gaz en tant que journaliste on nous gaz. Les actes de violence subis le 20 décembre 2019 par la presse lors de la manifestation interdite de la plateforme Union Lank n'ont pas laissé indifférents les défenseurs de la corporation. Le CORED, le comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie, a farouchement condamné la démarche de la police. Juste pour une marche, même interdite, je pense que bon, la police n'avait pas à se comporter de la sorte. D'autant plus que nous avions régler ce problème-là parce que nous savons que, bon, certainement, il peut y avoir des frictions, mais pas au point que la police puisse s'en prendre à des journalistes qui ne sont là que pour faire leur travail. Mais je pense euh, euh, nous pouvons en tirer une leçon, euh, ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte qu'à l'avenir, que les reporters puissent s'identifier à travers les gilets de presse, parce qu'on en a à sur la même lancée, le Sempix, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, a manifesté son indignation en saisissant le ministère de l'Intérieur d'une requête de dénonciation. Nous venons juste de terminer euh, d'apposer notre signature sur la lettre de protestation euh, qu'on va envoyer au ministre de l'Intérieur. Euh, et puis, comme on l'a indiqué aussi, euh, nous allons euh, transmettre, euh, faire ampliation de cette lettre, de cette lettre-là à Reporter sans frontières et à, à l'affiche, à la Fédération internationale des journalistes, parce que pour nous, il s'agit d'une volonté d'empêcher d'abord des journalistes de travailler, ensuite d'exercer sur eux une violence qui ne se justifie pas. Le fait de limiter le journaliste dans l'exercice de sa profession n'est pas du goût du CORED et du SEMPIX si l'on sait que la loi 96 du 22 février 1996 lui garantit le droit. En effet, l'article 26 du document dispose que le journaliste a libre accès à toutes les sources d'informations non confidentielles et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. La responsabilité du journaliste, euh, euh, c'est de résister, d'abord, parce qu'on euh, nous a toujours inculqué la résistance face à l'oppression, notamment lorsqu'on veut nous empêcher de, de, faire notre travail, qui est un travail protégé par la Constitution de la République du Sénégal et au-delà de tous les autres accords internationaux que le Sénégal a signés, dans la Constitution de la République du Sénégal, il est fait mention clairement que le journaliste doit concourir à produire de l'information destinée aux Sénégalais. Le Sénégalais a le droit d'avoir une information juste et vraie sur ce qui se passe dans son pays. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur la Constitution. Donc, c'est comme le droit de marche que les gens invoquent souvent, c'est la même valeur. Donc, il faut qu'on revienne à de meilleurs euh, sentiments. Un journaliste dès l'instant qu'il décline son identité, vous montre sa carte de presse ou son gilet de presse, doit accéder même au sein des saints, comme on dit, à la présidence de la République, parce que c'est le must, comme, comme, on dit. Donc là, la police n'a pas à limiter donc, euh, les, journalistes par rapport au, travail qu'ils sont en train de faire. Euh, je ne vois pas honnêtement de danger euh, qui, qui, qui, peut amener la police à dire aux journalistes n'allez pas à la place de l'indépendance, parce qu'il n'y avait pas une foule ce jour-là. Donc je pense que euh, les policiers, les quelques qui se sont fait remarquer de manière aussi éhontée, auraient pu avoir raison gardée. Sur le terrain, journalistes et agents de sécurité publique doivent travailler en symbiose, croient ces professionnels. Je pense que nous devons travailler en symbiose. Il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait même de petites frictions. Je pense que ça, c'est des brebis galeuses qui n'honorent pas la, police, euh, qui se sont manifestées de la sorte. Et je pense que le message a été bien reçu parce que nous avons euh, parlé à, à leur, euh, disons, aux autorités de la police à un plus haut niveau euh, et ils ont, elles ont compris que réellement, il n'y a, pas péril en la demeure et que bon, une, elles vont parler à, leurs agents pour que demain, pareil, aventures ne se, ne se reproduisent. Mais les relations, c'est que chacun respecte les droits de l'autre, c'est tout. C'est-à-dire il faut que le journaliste, dans le cadre d'une manifestation, respecte les injonctions de police qui lui sont faites pour sa sécurité. Parce que là aussi, il y a deux types d'injonctions. L'injonction, quand d'habitude, et d'ailleurs dans les grandes démocraties, quand il y a une manifestations interdite, euh, que ce soit interdit ou pas, d'habitude les journalistes se mettent derrière les policiers. Parce que les policiers, autant euh, ils doivent encadrer la manifestation, autant ils doivent procéder au maintien de l'ordre. Autant dans les grandes démocraties, ils protègent en même temps les journalistes. Ils s'occupent de leur sécurité. Mais ici, voir des policiers chargés des journalistes, sous le prétexte fallacieux qu'ils n'auraient pas porté de gilet ou autre, je trouve ça quand même extrêmement grave. À l'endroit des reporters, ils recommanderont à savoir raison garder dans des situations de pression. Les reporters, on ne peut rien leur demander, sinon de ne pas faire dans l'invective. Vous savez, il faut savoir s'oublier de temps en temps. Le reporter que vous êtes, vous avez certainement, vous êtes, vous êtes frappé par cette mesure de hausse de l'électricité. Mais lorsque vous êtes à la place de l'indépendance, en tant que journaliste, vous n'êtes pas, vous n'êtes ni pro ni anti. Vous y êtes pour rendre compte objectivement de ce que vous allez voir. Après, si vous voulez, vous allez manifester autrement. Donc, moi, je n'ai aucun reproche à le faire tant qu'ils restent dans le cadre d'exercer de, leur fonction de journaliste, de faire leur travail. Je n'ai absolument rien à leur dire. Quand on est un reporter sur le terrain, il ne faut pas essayer de faire le zoro. Ça aussi, ça ne sert à rien. Il faut savoir aussi, il y a un certain moment, si, si c'est une manifestation où il y a une foule humaine, euh, quand les policiers ou les gendarmes vous limitent sur un périmètre, en de pareils cas, on peut comprendre. C'est pour votre euh, sécurité euh, et c'est pour votre bien. Et là aussi, il faut, en cas de manifestation interdite comme ça, où il y a des échauffourées, la meilleure parade, c'est d'être toujours derrière les forces de défense et de sécurité. Le doyen Mamadou et Bamba Kassé, respectivement président du CORET et secrétaire général du SEMPIC, invitent toutefois les forces de l'ordre à plus de responsabilités et au dépassement dans l'exercice de leur profession. information droit la du par force da ko war a xibaar xibaar bi nga xamante xibaar bu wér te wóor la ñun bu nekkee ne ñun amuñu xibaar bu wóor nan la ñuy xibaar bu wóor dañoo war a am xibaar dañuy war a bàyyi ñun amuñu sens interdit fu ñu neex lañ war a mën a dugg tànk ñu ngi yore suñu carte yore suñu gilet te gis ngeen ñi fi ëpp si ñun dañoo sol gilet yore seen presse dañ leen bàyyi ñu liggéey suñu jox askan bi xibaar bu wóor